Franco. 18h passées de 18 minutes. Euh, mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey, relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozirine, Magaria, Tamaské, Bouza, Menasora, Dolbel et Saï. Dans le forum de ce mardi, il sera question d'éducation, essentiellement de la rentrée scolaire 2016-2017 les premiers à effectuer leur rentrée le 19 septembre dernier, ce sont les lycéens. Ils sont près de 110 000, dont près de 85 000 du public repartis dans 515 lycées et complexes scolaires d'enseignement secondaire public et privé. Les élèves de CEG leur emboîteront le pas le lundi prochain, le 3 octobre prochain donc. Une semaine après, peut-on réellement parler de rentrée euh, effective sur le terrain Toutes les dispositions ont-elles été prises pour que ce soit une rentrée digne du nom que faut-il dire sur euh, des questions cruciales comme les arriérés des salaires, des pécules Qu'est-ce qu'il en est de la gestion des contractuels Quels sont les problèmes auxquels le secteur fait face et qui méritent une attention particulière dans l'urgence Alors, pour en parler, nous avons des invités, nos invités donc, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, M. Boubé Momane, que nous attendons d'une minute à l'autre. Et puis à ma droite, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, SNES, e M. Chebou Dambaji. Bonsoir chez vous. Euh, bonsoir. Merci d'être venu. Et l'autre invité, c'est M. Moukela Ibrahim du comité directeur de l'Union des scolaires du Niger, USN. Moukela, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir. Monsieur. Voilà, merci beaucoup. Euh, alors, on va commencer par, euh, mesdames, messieurs, nous allons commencer par le constat et cette vérité sur le terrain qui se dégage avec nos reporters le jour J de la rentrée, le lundi dernier, eh bien, la rentrée académique 2016-2017 n'a pas eu lieu comme prévu le lundi dernier en raison du mouvement de grève de 72 heures lancé par la section lycée et collège de l'Union des scolaires nigériens. Aucune activité académique n'a démarré. Je vous propose de suivre le point avec euh, notre reporter Nafis Adamou. Premier établissement visité, le lycée Issa Korombe. Les quelques élèves trouvés sur place discutent entre eux. D'autres font la navette entre les différents bureaux de l'administration pour recueillir des renseignements concrets sur leurs orientations. Les responsables, quant à eux, s'attellent à finaliser les saisies des noms pour la répartition des salles de cours. Deuxième destination, le lycée Cassé. À ce niveau, l'ambiance est morose également. Puis le lycée municipal, Ici, la cour reste déserte. Pas de mouvement à l'administration. Les responsables n'étaient pas sur place lors de notre passage. La rentrée académique 2016-2017 n'est vraisemblablement pas encore effective en ce jour 22 septembre. Force est de constater que le boycott de cette rentrée dure davantage que les 72 heures de grève annoncées par l'Union des scolaires nigériens. L'USN revendique entre autres la construction de salles de cours et de latrines et une opération d'évacuation des eaux de pluie dans certains établissements inondés. Voilà le constat de notre reporter Nafis Adamou euh, le lundi dernier euh, à l'occasion de la rentrée, du premier jour de la rentrée scolaire euh, pour les lycéens. Monsieur Jebou vous êtes dans le studio avec vous, avec nous. Euh, bon, le constat qui a été dressé, c'est, disons, euh, dans la ville de Niamey, euh, dans certains lycées, donc, disons, c'est un peu mhm. minime. Alors, peut-on parler de rentrée scolaire effective pour les lycéens le lundi dernier Non, le constat à Niamey n'est pas un constat minime parce que, en termes d'élèves concernés et puis d'enseignants concernés, c'est quand même un, échantillon, assez représentatif. Non, ce qui a été dit par votre reporter et reflète la situation sur le terrain, que ce soit à Niamey et à l'intérieur du pays. La rentrée n'a pas été effective et parce que vous savez, quand le comité directeur euh, généralement lance un mot d'ordre, il est largement suivi. Donc, euh, à la date d'aujourd'hui, moi j'enseigne dans un lycée, j'enseigne au lycée Corombé, Jusqu'à présent, j'ai pas fait le, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer mes élèves. Non, vraiment, la rentrée n'est pas du tout effective euh, du fait euh, du mot d'ordre de boycott euh, du comité directeur. Et vous avez aussi d'autres situations. Hmm. Et en dehors du mot d'ordre de boycott. on, va, revenir sur ça. juste le donc le, constat, le constat est là. Le constat est là, il n'y a pas eu de rentrée. Il n'y a pas eu de rentrée. Pour vous. On va passer la parole à Moukela Ibrahim vous avez suivi notre euh, reportage et vous étiez sur le terrain et c'est vous qui avez lancé le mot d'ordre de grève. Vous êtes, euh, quelle, quelle, est votre appréciation de la rentrée euh, <laughs> le lundi dernier pour les lycéens sur le terrain qu'il n'y a pas eu de rentrée, que ce soit à Niamey et à l'intérieur du pays. Par ma voix, le comité directeur s'est fait représenter à la rentrée officielle organisée par le ministère de l'enseignement secondaire à Dosso le lundi passé, dont j'ai eu la chance de représenter le comité directeur. Je vous avoue que les images de l'Orten que vous avez vues, c'est des images euh, spécifiquement montées. C'était une classe de moins de 15 personnes dans laquelle nous avons eu à faire le lancement. Donc c'est un fiasco très, très, très, très désolant. Donc il n'y a pas eu de rentrée pour vous, mais pourquoi vous avez boycotté euh, cette rentrée Il n'y a pas eu de rentrée pour nous, pas parce que nous ne voulons pas euh, reprendre le chemin de l'école. Il n'y a pas eu de rentrée pour nous parce que nous avons, jusqu'à preuve de contraire, dans les trois de, l'État, du gouvernement, assez de revendications qui datent de plus de 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas eu de satisfaction jusqu'à preuve de contraire. En tant que comité directeur de l'USN, nous avons géré, en tout cas, de respecter et de faire respecter l'étudiant nigérien, de défendre les intérêts matériels et moraux des scolaire nigérien, partout où il se trouvent. Oui, ça, c'est les lycéens. Qu'est-ce que vous réclamez spécifiquement pour les, lycéens, Vous avez constaté avec nous qu'à Niamey, on parle de Niamey, la vitrine du pays. Vous avez constaté qu'il n'y a pas de classe. Vous avez constaté qu'il y a une stagnation d'eau dans les écoles, dont il y a certains élèves qui n'arrivent pas à avoir accès à leur salle. Il n'y a pas de classe. Hein, il n'y a, pas de classe parce que l'ensemble des classes à Niamey, nous pouvons dire que 40% sont des classes en paillotte n'en parlons pas de l'intérêt du pays, où il faut même après la, la récolte, euh, la saison pluvieuse, pour avoir les secours. N'en parlons pas. Il faudrait que la population comprenne que même si nous n'avons pas... Il y a des classes, mais elles ne sont pas suffisantes, on peut dire elles, Elles ne sont pas suffisantes. Et ça fait 4 ans qu'au niveau de Niamey, il y a une caravane de dire que nous allons partir vers euh, euh Niamey sans classe par Mais très malheureusement, nous sommes sur le même constat, qu'il n'y a pas assez de classes pour commencer cette rentrée académique 2016-2017. D'accord, merci beaucoup. Nous allons accueillir euh, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, M. Boubé Abdel Karim. Monsieur Lézé, installez-vous bien et merci d'être venu à vous. Voilà, vous êtes là <laughs> au, studio Kalangou. Merci d'être venu. Vous êtes là avec euh, d'autres acteurs, euh, celui de le représentant de l'USN, le comité directeur, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Et, donc nous allons discuter dans, euh, disons, euh, dans le respect des uns et des autres. C'est sans autre euh, invective ou que, ce soit. C'est vraiment l'argument de la force des arguments qui vont qui, qui va prévaloir. Donc Monsieur le SG, merci d'être venu. Alors nous sommes en train de parler de l'effectivité de la rentrée le lundi dernier, les lycéens parlant. Alors, nous allons donner la parole au secrétaire général du SNES, e M. Chebou. Donc, vous dites qu'il n'y a pas eu de rentrée effective. Pourquoi Parce que uniquement les, élèves ont demandé de boycotter la rentrée Bon, euh, vous savez, euh, les raisons en termes de préparation de la rentrée, si vous voulez faire allusion au matériel, euh, au... Nous allons revenir sur le matériel. Hein. Non, non, les, oh, dispositions ont été prises par l'administration. Ça, personne ne peut prétendre le contraire. Mais euh, vous avez des raisons de blocage. Mhm. C'est notamment les engagements euh, non tenus. Généralement, les corporations, que ce soit enseignantes ou studentines, donc c'est à la rentrée que qu'elles donnent, qu'elles donnent de la voix. Donc les raisons du blocage, euh, le représentant de, de l'USN vient de vous dire ses raisons. Donc en ce qui concerne les syndicats d'enseignants, euh, en tout cas, nous n'avons pas, donné, n'avons pas donné de mot d'ordre de boycott euh, de la rentrée. Mais le constat est là sur le terrain. Il Mais il ne faut pas que les gens pensent que quand nous, nous, nous en parlons, et que que c'est sans pincement au cœur. Vraiment, les corporations, les, responsables des syndicats n'ont pas euh, le plaisir mm. euh, d'annoncer que la rentrée n'est pas, effective. Mais le constat, elle est là, c'est la triste réalité Merci beaucoup pour ces précisions. Monsieur le secrétaire général, une fois de plus, <laughs> bonsoir. Alors, quelle est votre appréciation de la rentrée scolaire euh, le lundi dernier, concernant spécifiquement les lycéens bon, <clears throat> Merci pour j'appelle Boubé Maman. Merci, ok. Boubé ah, Maman, excusez-moi. Euh, effectivement. Bon, vous savez que la rentrée scolaire, elle se prépare hein, depuis le mois de janvier. C'est pas juste euh, en pendant les vacances qu'on prépare une rentrée scolaire. comme euh, au niveau du secondaire, on a deux rentrées, celle du cycle moyen qui a eu lieu le 19 euh, septembre dernier. Euh, même si euh, du côté donc de nos partenaires, vous avez entendu donc le représentant du SG donc business. bon, j'ai pas entendu ce que le oui. a dit comme je, viens d'arriver. D'accord. Mais c'est que sûr donc pour nous, la rentrée donc du 19 septembre dernier s'est bien déroulée. Donc, euh, euh, sur toute l'étendue du territoire, c'est vrai, au niveau du Namé, euh, il y a eu donc le boycott de la section collège-lycée. Et ce boycott, donc, au niveau de la section collège de donc, il faut un peu préciser, donc c'est Mais dans les autres régions, donc, vous avez eu les échos donc, de toutes les régions tout s'est bien déroulé. Il y a eu rentrée effective. Il y a, eu rentrée effective puisque le ministre de Calais a lancé la rentrée officielle dans la région de Dosso. Et le ministre est parti donc euh, à milieu rural pour euh, voir les fruits de la rentrée dans un complexe d'enseignement secondaire euh, à milieu rural. Mais oui. Est-ce que lancement veut dire effectivité vous savez qu'une fois qu'on lance, hein, euh, une fois qu'on donne le coup de vent, maintenant, il appartient donc à, à l'administration donc, euh, scolaire, donc au niveau donc, des établissements maintenant euh, donc de faire la suite de, faire la suite une fois que la, rentrée est officielle le, coup d'envoi a été donné donc pour le reste hein, maintenant chaque chef d'établissement voilà donne l'emploi du temps les fournitures étant disponibles l'emploi, les enseignants sont là. Et donc, euh, là, c'est à chaque étape donc, euh, voilà, de gérer la suite. Voilà. Donc, c'était là vos, votre constat et les constats de deux autres camarades, de deux autres acteurs, c'est qu'il n'y a pas eu de rentrée effective. Donc, nous allons observer une petite pause, le temps de. Euh, oui. Peut-être il faut ajouter, c'est-à-dire que entre temps, donc, je crois le. secrétaire, le, représentant de l'USN. Oui, il faut que les gens comprennent. Il y a le comité directeur donc de l'USN. Oui quand il lance un mot euh, c'est pratiquement donc à tous les étudiants et euh, les, les scolaires. tous les étudiants et les élèves du secondaire hmm. et qui, qui, suivent donc le, modèle Et le premier jour, donc, euh, le mot d'ordre entré par le CD, c'est beaucoup plus donc, pour le niveau lancement supérieur donc, que pour les raisons au niveau du secondaire. Donc en fait, euh, nous, quand le CD lance un modèle, c'est vrai, donc le secondaire empathie beaucoup pour dépendre du supérieur, de l'enseignement supérieur. Mm-hmm. Merci beaucoup pour ces précisions. On va observer une petite pause et de revenir sur... Euh, Voilà, la rentrée scolaire 2016-2017 dans le secondaire, nous allons prendre une illustration dans la région de Tilaberi où la direction régionale des enseignements secondaires et supérieurs euh, s'active donc à l'image des autres pour effectuer une bonne rentrée. Le directeur régional de l'enseignement secondaire et supérieur a animé un point de presse pour faire le point sur l'affectation du personnel et l'acheminement et la distribution des fournitures scolaires. Je vous propose de suivre le propos du directeur régional des enseignements secondaires et supérieurs, Abdel Soumana des propos recueillis par notre correspondant dans la région, Issa Karimou. Ce kit est composé de 10 cahiers à tous les niveaux, plus 4 bics, un ensemble géométrique, des feuilles de copie pour les compositions et plus également des fournitures collectives, notamment les règles à utiliser en classe, les règles de tableau, les équerres, la craie. Nous avons également bénéficié de la transformation de certains collèges en CES, notamment c'est le CEG de Sansan le CEG de Sinder, le CEG de coin Garantier et le CEG nous voulons que cette année, soit différente de l'année dernière surtout. Si nous nous référons aux résultats de, l'année 2015-2016, nous avons tous remarqué que ces résultats-là n'ont pas répondu à l'attente de tout le monde. Le taux de réussite à tous les niveaux, en tout cas a baissé, que ce soit au niveau du bac, que ce soit au niveau du BPC. Ce qui a fait que ce taux a baissé, nous estimons que c'est dû nombreuses perturbations que nous avions connues au cours de l'année 2015-2016. Voilà un exemple d'illustration de la rentrée scolaire à Tilaberi avec le directeur régional des enseignements secondaires et supérieurs. Donc, euh, à l'entendre bien, le matériel est disponible. Euh, monsieur le secrétaire général, peut-être un petit commentaire euh, sur la disponibilité du matériel pour la rentrée Bon, le commentaire, c'est très simple. Vous savez, depuis la création du ministère des enseignements secondaires en 2014, le kit vraiment a été donc restauré. Et depuis lors, donc euh, chaque année, les élèves donc, sont un kit euh, complet. Il s'agit donc euh, tout ce qui est dans le cadre de la gratuité euh, de l'éducation, donc engagement du son excellence Monsieur le Président de la République. Et, mieux même. gratuitement de l'éducation. Au niveau des lycées oui, et ça, c'est jusqu'à la saison. Donc, c'est du, cycle de base 1, le primaire, jusqu'au euh, secondaire. Voilà, hum. jusqu'à la donc de 16 ans. Et il faut dire, et mieux même, euh, à part donc les kits, ce sont donc des manuels scolaires que, euh, durant donc, ces trois années qui ont été achetés, soit sur le budget national, soit avec l'appui donc des partenaires, et pour équiper l'école surtout les établissements de soutien euh, un exemple. Aujourd'hui, j'ai 646 collèges numéro qui disposent des moyens dans le dispositif fondamental de la sixième à la troisième. C'est essentiel. Euh, ça, c'est c'est vrai. Bon, euh, d'abord, il faut la disponibilité de ces moyens. Ensuite, le second aspect, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait donc le personnel donc enseignant. Et, mieux aussi donc, dans, dans ce cadre. Aujourd'hui, ce sont parce que 609 enseignants titulaires de DAP-CEG, donc enseignants formés polyvalents, qui enseignent deux à trois disciplines, qui sont euh, injectés euh, euh, en milieu rural. Nous allons revenir sur le personnel enseignant, c'est juste sur le matériel, la disponibilité. non, la disponibilité, donc, je crois que. C'est satisfaisant. Sur la base du kit, euh, ça c'est très important parce que euh, le point c'est quoi Avec 10 cahiers, donc section de calculs qui été faits, hein, avec 10 cahiers et les disciplines, donc euh, un élève donc, du cycle moyen et peut tenir l'année avec ce, matériel. merci pour ces précisions. Euh, Ibrahim, le matériel est-il disponible pour cette rentrée Est-ce que vous en êtes satisfait Comme l'a si bien dit, le secrétaire général du ministère de enseignements secondaire, nous, sommes tout à fait convaincus. Nous sommes tout à fait d'accord que le matériel est disponible. nous avons eu quand même à une reprise à dire au peuple nigérien le comité de retrait est satisfait par rapport à la disponibilité des matériels. Parce que je pense très bien, euh, la veille de la rentrée, nous avons à fait une réunion avec le secrétaire général et le ministre qui nous a exposé, en tout cas, tous les matériels didactiques qu'ils ont mis à la disposition de la rentrée académique. Mais la question ne se trouve pas à ce niveau. Si aujourd'hui vous avez constaté que nous disons qu'il n'y a pas eu de rentrée académique euh, au Niger, c'est parce qu'il y a. C'est un aspect important quand même, avoir le matériel pour travailler. C'est un aspect, nous sommes tout à fait d'avis. Il suffit de porter des verres en bois pour ne pas voir la disponibilité de ces kits-là. C'est un peu rare, hein? sommes tout à euh, fait Généralement dans les rentrées scolaires. Et ça fait quelques années que ces, mesures sont prises afin d'accompagner la rentrée académique. Mais tel n'est pas là où il faut se trouver la question. Ça, se trouve ailleurs. Le ministère en a assez de responsabilités qu'il n'est pas en train d'assumer. Mhm. Et par conséquent, c'est toute une chaîne qu'il faut résoudre et non tout un, aspect. On va passer par ces chaînes. Le temps de donner la parole à Chebou euh, du SNES. E euh, monsieur Chebou, euh, vous aussi, vous, que vous avez constaté qu'effectivement le matériel disponible est suffisant non, le, matériel est disponible, le problème ne se pose pas. Vraiment, vous savez, moi je trouve même qu'on fait trop de publicité autour du matériel. Il faut dire que ça revient comme à l'État d'acheter ce matériel. C'est comme si vous, en tant que père de famille, vous, vous nourrissez votre famille et vous convoquez tout le temps les médias pour dire que vous nourrissez votre famille. Vraiment, ça fait partie du rôle régalien de l'État. Et quand le secrétaire général dit que c'est dans le cadre de la gratuité de l'école publique, vraiment, je crois qu'il faudrait eh, être juste. L'école publique nigérienne de l'indépendance à nos jours a toujours été gratuite. La gratuité eh, s'entend comment C'est le fait qu'on puisse s'inscrire au niveau de l'école publique sans frais. Dans d'autres pays, ce n'est pas ce qui se passe. Si vous vous inscrivez au niveau d'une école publique et vous, vous, payez l'inscription. Or, vraiment pour le cas du Niger, de l'indépendance à nos jours, l'école publique a toujours été gratuite. Mais nous, nous on le sait d'autant plus que nous, quand même, nous avons grandi dans ce qu'on appelle l'État-providence, où on avait le matériel à profusion, nous étions logés, nourris et à l'internat. Donc vraiment, je pense que et comme l'a dit le, le jeune, euh, le jeune frère, là euh, vraiment le matériel est en place. Ça, c'est euh, évident. Ce n'est pas discutable. Mais ce qui est essentiel, c'est comment mettre à contribution ce matériel-là pour que l'école publique puisse véritablement fonctionner. C'est la, première fois que vous reconnaissez ensemble que le matériel est disponible Non, non. de tout temps, dans les discussions, le matériel a toujours été disponible. Mais le fait, euh, euh, le fait qu'on vienne le dire, c'est comme si c'est exceptionnel. Mais moi, je vous dis euh, vraiment, quand j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, je n'ai jamais su qu'il y avait des inaugurations de lancement de matériel qu'on envoie au niveau des régions. C'est un phénomène récent. Hmm. Donc, vraiment, ça fait partie de ce que l'État doit faire. Mais ça ne suffit pas. Non, le matériel, le matériel, il suffit. C'est indiscutable. Oui, il y a le matériel. Hmm. Est-ce qu'on s'en à ça pour dire que la rentrée... Non, ça, non, mais ça ne suffit pas, la preuve. Le matériel a été installé eh, au moins un mois avant. Ça, nous, le reconnaissons. Mais aujourd'hui, eh, l'école publique est en proie à des difficultés. Puisque la rentrée la plus facile, parce que la rentrée au niveau du cycle moyen, c'est la rentrée la plus facile. Parce que généralement, au niveau des lycées, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de hangar. Vraiment, c'est la rentrée la, la plus légère. C'est lorsque nous serons euh, euh, avec, les, collèges, notamment les collèges ruraux. Le secrétaire général vient de dire qu'il y a des centaines de collèges ruraux. C'est en ce moment-là qu'on sera véritablement confronté au problème de construction de salles, de hangars, de mise en place effective de personnel enseignant. D'accord. Alors, on va observer une, euh, une petite pause pour attaquer d'autres aspects de cette rentrée. Oui, et sachez qu'au mois de juin dernier, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Alcia, avait entamé une opération de contrôle des enseignants contractuels dans l'ensemble du pays. Après deux mois de travail, la Alcia dresse le résultat à mi-parcours de cette opération d'identification dans cinq régions du Niger. Je vous propose de suivre le vice-président de la Alcia, Salif Oubandoma, au micro de notre reporter Rahilot Soumana. Nous avons considéré deux catégories pour maintenant faire un calcul pour savoir qu'est-ce que l'État perd, quel impact cela fait sur le plan financier en termes de pécule. Nous allons considérer la première catégorie des enseignants qui sont sur la liste de l'inspecteur, mais qu'on ne retrouve pas sur le terrain. Et ils sont au nombre de 1917, plus les doublons qui sont au nombre de 640. Nous les avons additionnés pour prendre des moyens de pécule. Pour l'éducation primaire, nous avons considéré une moyenne de 115 000 francs de pécule. Quand vous faites le calcul, vous allez voir que rien que pour l'enseignement primaire, l'État perd par an environ 2 milliards. Pour l'enseignement secondaire, c'est environ 500 millions par an. Je parle de ces cinq régions, hein, puisqu'on n'a pas finalisé. Et pour l'enseignement professionnel et technique, c'est à peu près donc 60 millions que l'État perd. En tout, l'État perd plus de 2 milliards. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont une responsabilité, qui ont joué un rôle dans cette situation-là, dans quelques jours, ils vont répondre à la Halsia. Voilà, le vice-président de la Halcia, Salissou Oubandoma. Nous restons avec euh, euh, Dambaji, le secrétaire général du SNES. E Vous venez de suivre euh, le, vice-président de la Halsia sur cet aspect des enseignants contractuels. Il y a le matériel qui est disponible, mais il y a l'autre aspect, sur le personnel. Euh, pour enseigner. Et donc, euh, cet aspect-là est fondamental. D'abord, quelle est votre appréciation de l'intervention, ou du moins, euh, de cette opération d'identification de la Halcia, des résultats qu'ils ont donnés Alors, les résultats qu'ils ont donnés, je crois qu'il y a un élément quand qui m'a fait sursauter. Quand on dit que le salaire moyen est de 115 000, vraiment, il faut donner des chiffres exacts. C'est au niveau de l'enseignement secondaire. C'est ceux qui enseignent au niveau des collèges et lycées qui ont euh, autour de 100 000. Donc, faut pas qu'on donne un chiffre comme ça, qu'on balance 115 000. Non. Les enseignants contractuels les plus nombreux que sont les enseignants du primaire n'ont pas 115 000 francs par mois. Ce n'est pas, ce n'est pas juste. Et l'autre remarque, vous, est-ce que vous trouvez logique que pour un travail qui est censé concerner les huit régions que Alcia viennent faire un point de presse pour cinq régions. Et les trois régions, s'il vous plaît, qui restent, ce sont les régions les plus peuplées, même en termes d'enseignants. <laughs> C'est notamment Maradi, et Zander, Tilaberi. Donc, vraiment, le bon sens aurait voulu qu'on euh, attende qu'elle finisse entièrement le travail et de faire un rapport global. Mhm. Mais faire un rapport partiel, moi, je me, je me demande pourquoi ce rapport rendu public la veille de la rentrée. c'est une question que vous vous posez. Non, non, je ne trouve pas ça logique dans la démarche. D'accord. Maintenant, votre appréciation. Oui. Mon appréciation de la démarche et le moment qui avait été choisi, et on l'avait dit en son temps, en fin mai, début juin, ce n'était pas le bon moment pour passer dans les écoles et trouver les enseignants. C'était déjà une période de vacances, une période de flottement en on avait dit que nous sommes d'accord qu'il faut passer dans les écoles, pas uniquement pour les contractuels. Mais il n'y a pas que les contractuels qui peuvent être fantômes. pour les cas, en tout cas, que nous avons, les résultats sont clairs. Hein. L'État perd, rien que pour le secondaire, 500 euh, millions. vous savez, il faut prendre ces choses-là avec des pincettes. Le moment où eh, Alcia est passé dans les écoles, vous êtes sûr que sur les 1917 enseignants qu'on dit effectifs là, vous avez certainement des enseignants qui n'étaient pas à leur poste, mais qui ne sont pas des enseignants fictifs. Lorsqu'on rend, lorsque le rapport est rendu, ces enseignants-là auront la possibilité de se présenter effectivement, et c'est lorsqu'on fera la confrontation qu'on va nous dire exactement les enseignants fictifs. Les enseignants fictifs, ça, il y en a, je n'en discute pas. Mais, mais maintenant, le nombre, les chiffres exagérés Non, le chiffre exagéré. D'accord. non, il faut attendre, il faut attendre que de finir la confrontation. En ce moment-là, on aura le chiffre exact. D'accord. Vraiment, dans la démarche, moi, je trouve que ce qui a été fait, non, non seulement ça a été exagéré, mais je trouve pas ça du tout juste. Le moment n'était pas opportun. Non, c'est discriminatoire. D'accord. Parce que eh, un enseignant contractuel, il a appelé le tiers de mon traitement salarial. Donc, merci, merci Dambaji pour ces précisions. Moukela, Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de la Alcia et de l'opération de façon générale, de façon succincte euh, Pour euh, ce qui concerne l'intervention de la Alcia, afin d'identifier les enseignants contractuels sur le terrain, je crois que c'est une bonne chose, mais je trouve un, aspect handicapant euh, au moment choisi. Donc le moment, c'était pas opportun. C'était vers le 15 mai, vers fin mai et début juin, que l'opération a commencé et ce n'était pas le moment idéal de commencer à euh, faire euh, découvrir ceux qui sont euh, effectivement présents sur le terrain. Et je, ma foi, je constate tout simplement que la n'était pas engagée pour véritablement contrôler les, questions de fraude au niveau du, système éducatif. Ça aurait dû intervenir au début de l'année académique, parce qu'aujourd'hui, et à partir du mois de janvier, euh, toutes les directions auraient dû déjà signé leur euh, attestation de prise de service pour les enseignants. Donc, Notamment, oui. il y a aussi un autre aspect que j'aimerais bel et bien faire constater ici. Il y a plus de 600 enseignants qui sont effectivement sur la liste des inspecteurs. Et cela aussi, c'est euh, une bonne chose d'IA que le arrive à les démanteler. Ça veut dire que l'État va être remis dans ses droits. Et j'encourage encore et j'interpelle l'État à continuer déjà des choses afin d'interpeller les inspecteurs qui se gargarisent ou qui se flattent ou qui se font riches à travers d'une présence fictive au niveau des terrains. Vous vous rappelez très bien. Vous, vous attaquez les inspecteurs. À, l'époque, déjà, il y avait plus de trois mois de salaire, trois mois de pécule, n'est-ce pas, qui ne sont pas payés au niveau du secteur éducatif. Et aussi, il y avait la saison pluvieuse qui était, qui était déjà installée. Donc, quand vous regardez, en elle-même, il, fallait en elle -même, il y avait l'absence d'abord. Il fallait n'y avait pas des élèves. C'est le moment qui n'était pas Oui, en dehors de Niamey. En fin mai, déjà, nous sommes en vacances. Il n'y avait, il n'y avait pas les élèves et les enseignants ne peuvent pas rester uniquement avec les tables bancs dans les classes en attendant l'arrivée de la Halcia. D'accord, merci beaucoup. On va passer la parole au secrétaire général du ministère des enseignements secondaires. Monsieur Légier, euh, vous avez euh, écouté la Halcia, mais je voudrais quand même que vous interveniez par rapport au personnel enseignant. Est-ce que c'est suffisant avant de commenter peut-être cette euh, intervention de la Halcia Bon, <coughs> vous savez donc, pour le personnel enseignant, pour les besoins d'expansion du secteur du secondaire, euh, donc nous recrutons donc euh, au minimum, minimum donc 1500 euh, enseignants chaque année. Ça c'est le minimum. Comme cette année aussi. comme cette année, parce que pour cette année, il faut de peut-être avec la formation des professeurs de ceux qui sortent de l'école normale supérieure, dans un proche avenir, on, on pense qu'au niveau des collèges, le point d'enseignant, donc, euh, euh, de le contracter, donc, va, va se réduire. Et chaque année, le crée de nouveaux collèges, et de nouveaux collèges, surtout ceux qui sont situés à Or, pour ces collèges, pour la prise en charge de ce collège de la 6 à la 3 si ce sont des professeurs euh, formés à l'ENES, on a besoin de quatre professeurs parce qu'ils sont polyvalents. Et s'ils ne sont pas donc polyvalents, et là c'est euh, entre 7 euh, enseignants, euh, minimum 7 enseignants, voire 8, pour prendre en charge donc le collège. Et sans compter que dans un collège amélioral le volume horaire, si j'ai ces 7 ou 8 enseignants, ne pourra pas être respecté qui est de 21 heures par enseignant donc du district de Baldeux que, le collège. Donc les besoins donc directement d'enseignants se font va, va tous se centrer donc d'année en année. Et c'est pour ça que la politique de formation de professeurs de CG à l'école noire supérieure et pour le franco-arabe euh, au centre à temps et là, elle, va être intensifiée, et, et, surtout avec le recrutement à la fin de la formation à la fonction publique de ces professeurs, qui, une fois euh, le diplôme obtenu, vont être directement envoyés donc, euh, dans le collège. Donc l'essentiel est là pour, faire le, pour enseigner. Euh, euh, il faut, il faut dire donc, vous donc dans le corps enseignant, y a deux types. Les professeurs donc de lettres, comme on dit, et les professeurs de matières scientifiques. le problème qu'on a, surtout au niveau donc du, secondaire, c'est beaucoup, beaucoup plus les professeurs de matières scientifiques. C'est qu'aujourd'hui, si vous cherchez donc un professeur de sciences dans certaines régions, voilà, vous pouvez pas. C'est un peu difficile de euh, l'avoir. C'est difficile. Or, euh, avec le recrutement, donc même si je donne à une région X, euh, comme Difa Agadez pour demander un professeur de sciences, sur le terrain, vous n'en trouvez pas c'est une grosse difficulté pour l'État. Ça, c'est une grosse difficulté. Il y a, des régions, euh, comme euh, à part Akadez et Kadifa, il y a aussi la région de Tawa, et la région donc, des Vous cherchez des courses donc, de sciences, vous n'en trouvez pas. D'accord. Alors, euh, comment appréciez-vous ce rapport de la Alcia en quelques secondes non, donc, non, donc on a écouté le vice-président, donc nous on attend de voir le rapport complet, donc c'est ce que je veux dire. Hein. Euh, moi, je ne peux pas commenter sur ça. Oui, mais quand on dit l'État perd 500 millions rien que pour les lycées, <laughs> c'est quand même euh, un peu faramineux euh, dans un contexte. non, il n'a pas dit pour les lycées. oui. Moi, je voudrais quand même revenir un peu sur. Oui, chef d'ambassade. Parce que ce qui est essentiel dans ça, là, ce n'est pas tant le rapport, mais c'est les responsabilités. Parce que vous ne pouvez pas expliquer qu'une administration ne puisse pas avoir la maîtrise de son personnel. Or, c'est la difficulté à laquelle principalement les ministères en charge de l'enseignement étaient confrontés. Vous demandez à un ministre ou à un DRH, il ne pourra pas vous dire exactement le nombre d'enseignants contractuels. Vous trouvez ça normal, vous Qu'est-ce qui fait ça Non, mais euh, c'est la, la, je dirais, la négligence et puis vraiment le manque de l'absence de rigueur. Puisque l'État ne peut pas payer quelqu'un et qu'on ne sache pas exactement où est-ce qu'il sert. Donc, vraiment, moi, je suis je suis satisfait de la démarche. Il faut même envisager de l'élargir aux autres agents de l'État et déterminer les responsabilités. On a dit que c'est les inspecteurs. D'accord, l'inspecteur, c'est lui le premier responsable. Mais il n'y a pas que les inspecteurs. Les directeurs régionaux, les directeurs régionaux, les listes qu'on passe eh, par, le, par les directeurs régionaux. Et ces listes-là aussi transitent par les DRH. Euh, c'est toute une chaîne. mais c'est toute une chaîne. D'accord. Et, il y a la responsabilité politique. Je ne peux pas être ministre euh, de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire et que des situations comme ça là euh, puissent arriver dans mon ministère sans que qu'on détermine la responsabilité. Le ministre, n'a pas toujours les moyens si les différents échelons ne lui donnent pas l'information exacte. Mais il peut quand même exiger, il peut se donner les moyens pour que l'information lui soit donnée. Donc nous attendons de voir quel est le traitement qui sera. On, va revenir sur le, avec le secrétaire général. Est-ce que euh, comment vous faites pour un peu continuer ce problème euh, de, gestion des contractuels non, moi je voudrais, quand me dirait la parole du personnel, je voudrais dire un mot. Euh, non, attendez, vous donner la parole, ah. Vous, aurez la parole tout de suite, oui. Non, bon, euh, il faut dire, bon, euh, c'est entendu ce que donc, a dit le EG donc, de, euh, du SNES. Du le euh, du SNES. Mais il faut dire que, voilà, donc au niveau du personnel donc, enseignant et surtout contractuel, et lorsque le ministre est arrivé, donc, pour, la, pour avoir une idée donc, de la maîtrise donc, du euh, Ce qu'il faut surtout remarquer, il a dirigé euh, une expression donc voilà, des services pour aller avoir une situation claire du nombre d'anciens contracteurs qu'on a. Et la difficulté, donc, de. Bon, par la difficulté, il faut dire tout simplement que les enseignants, et, euh, je disais tantôt, chaque année, on ne pas moins, au bas moins 1500. Parce que il faut il faut voir, on est en train de rapprocher donc euh, les élèves, le, les, les, collèges, de leur, de, de, de des parents. Et ça, ça amène à créer, par un au bas mot, donc euh, une centaine de collèges. Oui, mais quand le SG accuse euh, ah <laughs> l'administration d'être responsable de, ce, de de, la Alcia. Euh, Vous êtes euh, interpellé Non. Euh, donc, on a, écouté, donc j'ai encore écouté ce qu'a dit Bon, accusé, vraiment, quand lui, il accuse, donc c'est <laughs> aller un peu fort. moi, donc, pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que. Et, ce qu'il faut voir donc, à ce niveau, c'est essayer donc de prendre. Vous savez qu'à c'est un peu très simple au niveau du secondaire. C'est pas comme au niveau du primaire où c'est une école, un enseignant, une classe, un enseignant. Au secondaire, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est, vous avez donc euh, pour un établissement donné, un collège donné, je l'ai dit tantôt, vous savez pratiquement donc que s'ils sont devant, vous avez besoin de quatre enseignants. Et s'ils ne le sont pas, mais c'est huit enseignants qu'il faut. Bon, maintenant, il y a l'autre aspect où les chefs de collège doit étudier donc les, ses enseignants. Un professeur qui est polyvalent doit, euh, doit être étudié donc, à, cet effet. Ça permet donc, à l'État de, donc, de gagner donc, un ou deux enseignants supplémentaires. Si maintenant le directeur, lui, pense que euh, euh, ceux qui font histoire, ils pensent que leur fonction, c'est une histoire, ils ne peuvent pas faire géographie, il faut recruter un professeur de géographie Bon, voilà, donc ça fait donc 2%, alors qu'un seul peut, peut faire. Donc, c'est euh, ça qui a un peu influencé le, chiffre C'est ce qui a un peu exagéré les chiffres dont on parle non, euh, non, moi je, moi je vous donne un peu d'encore euh, la, la, situation d'encore dans, le, secondaire. Ok. Bon. On, va, on va permettre à Moukela de commenter cette histoire de personnel enseignant. Est-ce que c'est suffisant et qu'est-ce que vous pensez du rapport de, de la LCA et euh, comment faut-il corriger Parce qu'on n'a pas tellement beaucoup de temps. Vous allez aller vite. Euh, je vais être très bref. Je crois que pour la gestion de euh, cette question de personnel administratif, j'impute la responsabilité, en tout cas la toute responsabilité au niveau du ministère de l'enseignement secondaire. En tant que ministère, vous ne pouvez pas passer toute une année en train de payer des enseignants que vous pensez être sur le terrain et ne pas avoir leur nombre. Vous pouvez très facilement avoir leur nombre parce que chaque enseignant contractuel vous, êtes référé à travers une région. Et l'ensemble des régions forment les enseignants contractuels de ces pays. Vous pouvez avoir une idée claire là-dessus. Et constater leur présence effective en fonction, n'est-ce pas, des inspecteurs. Donc, dernière question, <laughs> monsieur Léger, pour clôturer tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut pour que la rentrée, soit effective Qu'est-ce que vous faites En 20 secondes. Non, la, rentrée je crois que ce qu'il faut peut-être, qu'est-ce qu'il faut pour que l'année scolaire soit stable. Voilà. D'accord. C'est que la rentrée, nous, on pense que euh, euh, c'est dépassé. Maintenant, comment faire pour que la rentrée soit stable C'est ça la question. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Et là, donc, de ce côté, moi, je pense que euh, sont là, les, les partenaires donc, de l'école. Au niveau du ministère des enseignements secondaires, on a euh, un cadre qui a été créé Oui, pour essayer donc vraiment d'échanger De, tous les problèmes Merci beaucoup pour ces précisions. Alors le temps est imparti, c'est vraiment la fin de ce débat. Merci, je veux vraiment vous remercier d'être là, Monsieur Chebou du, SNES, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, Monsieur Boubaï Moman et le, représentant du CD de l'USN. Merci d'être venu et on se retrouve euh, demain pour un autre sujet d'actualité. Bonne soirée à tous.